forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du forum du forum du forum du forum du forum du forum du 18h euh, passé de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, euh, merci de nous recevoir euh, chez vous pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou à la présentation Reila Toussoumana. Aujourd'hui, il est consacré à l'accaparement de l'espace public dans nos villes. Comment rester dans la réglementation Qu'est-ce qu'un espace public Quels sont les différents types d'espaces ou domaines publics que l'on rencontre ici au Niger Quelles sont les limites de l'espace privé quelle différence entre l'espace public et privé Les frontières entre ces deux espaces sont-elles respectées Quelles sont les différentes façons d'accaparement d'espace public dans nos villes Que font les pouvoirs publics pour faire respecter la réglementation en la matière Qu'est-ce qu'encourent les contrevenants ce sont à toutes ces questions et bien d'autres que nos invités ici présents vont tenter de répondre. Avec nous ce soir, euh, M. Yacouba Saleh, directeur euh, des équipements marchands à la ville de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Adamou Koulibaly, directeur euh, régional de la ville et de la salubrité de Niamey. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et monsieur Kadaoré, architecte, qui va nous rejoindre incessamment. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. Bonsoir à tous. Avant de se lancer dans le thème proprement dit, nous allons procéder à une brève présentation, les principales missions assignées à vos différentes structures représentées ici. Monsieur, à vous. Eh, merci euh, Rahila. Euh, je me nomme euh, Yacoub Saleh, directeur des équipements marchands de la ville de Niamey. Notre mission consiste d'abord donc à l'exploitation et à la gestion des espaces publics de la ville de Niamey. Ok, d'accord. Donc à vous, monsieur. bonsoir, madame. Donc moi, c'est Mohamed Kouloubali Adamou. Je suis le directeur régional de la ville de la salubrité urbaine de la région de Niamey. La mission de ma direction, c'est une mission pratiquement de tout ce que le ministère de la ville de la salubrité devait faire euh, à l'échelle nationale, mais ici à l'échelle euh, de la région de Niamey. Entre autres, il s'agit de la mise en œuvre donc de la politique la stabilité urbaine et la mise en œuvre des stratégies nationales de programmes et projets et le suivi des évaluations des investissements, tout ce qui est investissement euh, réalisé au niveau de la ville, le suivi des programmes de la modernisation des villes, entre autres. D'accord. Donc, euh, maintenant que le décor est planté, je commence par vous, monsieur Yakouba, qui représente euh, la ville de Niami. Qu'est-ce qu'un espace public et un espace privé Qu'est-ce qui caractérise chacun des deux L'espace est considéré en fait comme un bien de l'État et de la collectivité. Elle peut être servie soit pour euh, un délaissé de voirie ou euh, pour euh, être exploité par des gens qui désirent mener leur activité communément connue comme activité commerciale, l'achat et vente. Et l'espace privé En fait, l'espace privé, ça c'est du ressort du foncier urbain. Nous, c'est l'espace public qui nous concerne comme je l'ai dit tantôt. Merci. Donc, euh, un constat a été fait ici à Niamey pour euh, les célébrations de mariage, de baptême ou de décès. Des tentes euh, communément appelées bâches sont installées sur les voies réservées à la circulation, souvent ne laissant aucun passage. Donc, comment doit être une rue Quelle est sa dimension pour garantir une libre circulation des véhicules et des piétons Normalement, pour ce genre d'activités, ou de cérémonie, euh, les gens doivent quand même euh, s'adresser donc à l'arrondissement concerné pour se munir d'une autorisation en vue de mettre en état donc euh, ces voies malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait, c'est devenu une tradition quand le parent ou la personne a un baptême ou autre, il occupe la voie comme étant euh, sa propre propriété, alors que ce n'était pas ça. Donc pour toutes ces cérémonies, il faut l'aval euh, de la ville de Niamey pour occuper l'espace de normalement, normalement, la personne doit se munir donc d'une autorisation, bien sûr, euh, de la ville de Niamey. C'est l'occasion également de rappeler aux gens parce que tout le long de la journée, vous avez vu comment les gens occupent souvent la voie, ils obstruent la voie et même le passage devient impossible, ce qui n'est pas du tout normal. Nous devrions quand même à ce niveau euh, se rappeler que la ville quand même est le détenteur donc de ces espaces. Donc, euh, est-ce que, à votre avis, les populations ont connaissance euh, des textes pour cette réglementation Beaucoup ont connaissance parce qu'ils ont l'habitude de le faire les cérémonies de mariage sont souvent célébrées par, au niveau de, de la ville de Niamey. Et il y a quand même euh, la réglementation qui est là. Euh, le code euh, a tout défini. Vous avez quelque chose à ajouter oui, par rapport en fait, comme il l'a dit, effectivement, il y a un problème. L'occupation des, des voies publiques cause un problème. Et le problème criade, c'est le gène des voisins et l'état dans lequel cet espace est laissé après. Souvent, vous avez trouvé un espace propre, vous faites votre cérémonie, vous ne remettez pas l'espace en état. Comme ils l'ont trouvé. Comme vous l'avez trouvé. Et malheureusement, cet espace-là, c'est un lieu de vie pour tout le monde. Ça appartient à tout le monde. C'est le lieu, pratiquement, si vous avez constaté, dans les quartiers, tout le monde est au dehors. Parce que nous sommes dans un pays chaud. À partir de 7 heures, tout le monde est au dehors. Et malheureusement, cet espace qui reçoit tout le monde est cet espace qui est maltraité. C'est l'espace de vie. Est-ce que vous avez l'habitude d'intervenir euh, dans ces cas-là non, moi, le ministère dans lequel je suis actuellement, c'est le ministère de la Ville, c'est un nouveau ministère. Pratiquement, on a un an d'existence. Donc, jusqu'à présent, on est en train d'élaborer les documents pour, euh, pour établir. Mais le code d'hygiène public est clair dedans. L'occupation de l'espace public doit se faire par une autorisation de la commune, de l'annoncement communal. Beaucoup de gens le savent, il y a ceux qui ne le savent pas. Mais toujours est-il que nul n'est censé ignorer la loi. À présent, je vous propose de suivre ce que pense la population de Niamey quant à l'occupation anarchique des voies publiques et tout ce qui y ressemble. La question, c'est sur l'occupation anarchique des places euh, publiques ou réservées au passage euh, des usagers. on constate ici dans la ville de Niamey plusieurs propriétaires de maisons érigent des barricades pour euh, empêcher parfois les véhicules de frôler leurs maisons ou bien de causer des accidents ou parfois aussi en hivernage n'est pas rentré dans des l'eau stagnantes, Est-ce que ces propriétaires de maisons-là, ils ont raison de le faire et, Ou bien, où se trouve le problème dans tout ça À mon avis, les propriétaires de maisons, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas raison parce que chacun cherche à protéger ses biens. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la connaissance euh, de leurs droits et de la limite de leurs droits c'est vrai, tu dois protéger ta maison, mais il faut savoir jusqu'à où les limites de ta maison s'arrêtent et jusqu'à où l'État t'autorise à occuper. Il fallait que ces propriétaires de maison soient sensibilisés par rapport à ça. Devant la devanture de ta maison, voilà le nombre de mètres que tu peux utiliser qui t'appartient. Le reste, c'est pour le public et on ne doit pas vraiment faire obstruction à la circulation des personnes et de leurs biens. Moi, je peux situer la responsabilité à deux niveaux. Dans un premier temps, c'est au mairie de veiller à ce que le respect de ces voies-là. Parce que les voies, c'est les voies, c'est le public, c'est pour le public. On ne doit pas occuper d'une manière anarchique les voies publiques. C'est à la mairie de réglementer ça et de veiller au contrôle de ce que les gens évitent d'occuper anarchiquement les rues. c'est Deuxièmement, aussi le bon sens, c'est-à-dire la personne même qui a la maison, lui aussi, en morale, il devrait éviter certaines choses. Donc aux personnes même vraiment d'être responsables, on ne peut pas venir occuper un lieu public pour ses propres intérêts, parce que les mairies même ne connaissent même pas leur rôle et ne jouent pas leur rôle. C'est la faute de l'État. Il faut sensibiliser les gens de manière à ce que chacun s'arrête à sa place. Pendant l'hivernage, les gens se mettent des barricades parce qu'ils croient que avec ça, les véhicules ne vont pas causer des accidents, ne vont pas verser l'eau qui est stagnée sur la route. C'est écœurant et à dire ce sont des musulmans qui font ça, qui bloquent le passage, ce n'est pas correct. Parce que le musulman doit normalement vouloir ce qu'il veut pour lui, il doit le vouloir pour l'autre. Il faut vraiment que les gens se rendent compte du mal qu'ils font aux autres. C'est très remarquable, surtout à la commune 5, principalement à Karaj et le village, où la mairie a eu à faire des pavés pour assouplir la circulation, pour donner un peu de visibilité au passage et malgré tout, les propriétaires de concessions continuent à ce comportement un peu anarchique. Mais ça, ça peut reposer sur une base réelle, celle de la défense de la mairie, qui n'est pas en train de jouer le rôle de surveillance, contrôler cette occupation anarchique et l'empêcher, voire taxer les contrevenants. Voilà, vous venez là d'écouter quelques propos de la population de Niamey. Monsieur Yacouba, vous qui êtes de la ville de Niamey, ces personnes euh, viennent euh, d'indexer l'État, la mairie, euh, de ne pas sensibiliser les populations, que c'est à eux qui incombe cette responsabilité. Que pensez-vous de ces dires Comme je le disais tantôt, le domaine public appartient à tout le monde. Il revient donc et à la population et à la ville de Niamey en tout cas l'entretenir. Ça sera donc euh, bénéfique pour à nous tous. Mais qu'est-ce qu'on constate en réalité Ce euh, Ceux qui euh, souvent débordent, parce que la limite de la propriété, c'est à partir donc des quatre bornes, j'allais dire. Hein. La superficie même, parce que là, ça fait l'objet donc d'un acte de cession. Mm-hmm. Alors, le petit espace dont je disais tantôt, c'est un délaissé de voirie. Ce n'est pas permis aux propriétaires en réalité. C'est vrai, ils ont eu un droit de jouissance devant leur devanture. Et ça, c'est pour le besoin de planter un arbre parce que l'arbre quand même a besoin d'être entretenu. Une distance par rapport au mur pour La distance, c'est pas plus d'un mètre. Un mètre, je pense que ça peut servir en tout cas d'espace pour planter ces arbres-là. Mais au-delà, là, la personne quand même a à obstruer la voie. D'où ça crée donc euh, des incidents, c'est-à-dire des accidents. C'est pourquoi quand les gens émettent leurs demande pour l'occupation de domaine public, c'est vrai, dans certains cas, nous demandons aux gens d'aller vers ces propriétaires de maisons en vue d'avoir d'abord leur, leur aval, compte tenu donc de ce droit de jouissance dont je parlais tantôt. Et là, dans les demandes, bien sûr, il y a eu quand même des dispositions, c'est-à-dire la superficie que la personne doit occuper est mentionnée sur la demande. Et au vu de ça, euh, nos services techniques, suivant donc le, lieu, aillent sur le terrain voir la faisabilité. Est-ce que ce lieu est approprié pour être occupé envie d'être exploité pour faire le petit commerce. Est-ce que pour ça, on a besoin de mentionner un temps euh, sur euh, la demande Non, bon, en fait, euh, la demande est adressée d'abord donc à l'autorité, qui est le maire, sur l'habilité à autoriser la personne à exploiter l'endroit. Mais toujours les services techniques sont donc sur le terrain hein, pour voir est-ce que ces espaces sont appropriés pour ça ou non Au contraire de ceux qui viennent barricader la voie pendant la période pluvieuse, parce que la plupart des temps, ils nous laissent sur les endroits totalement euh, cabossés, en fait, euh, la voie. Ce qui crée malheureusement donc, euh, des accidents hein, de, tout genre. Donc là, nous avons en 2015, bien sûr, avec la région de Niamey, et le Haut Commissariat à a entrepris une vaste opération de déguerpissement qui euh, nous a permis un temps soit peu donc de libérer ces espaces-là. Moi, je ne dirais pas déguerpissement, c'est une opération de libération donc de ces espaces publics permettant donc à la mairie et à Nyamenyala de pouvoir mettre en état euh, tous ces espaces, les routes et tout ce que cela donc euh, comporte. Merci, Monsieur Yacouba. Donc, euh, à vous, Monsieur Koulibaly, euh, vous avez écouté euh, ces personnes-là. Et que pensez-vous des pratiques dont elles se plaignent Vous savez, l'occupation de l'espace public est toujours provisoire. Donc, et c'est même écrit dans les autorisations que la mairie donne aux occupants. C'est provisoire. Donc, la mairie peut vous dire de, de dégager à tout moment. Donc, vous allez voir des gens qui occupent un espace pendant 30 ans, ils vont faire de cela un droit. Non. C'est l'espace public. Construisent avec des matériaux Même si c'est construit avec quel que soit le matériau, c'est provisoire. Dès que la mairie se rend compte que l'endroit est de plus en plus euh, encombré, la mairie peut vous dégager. Donc ce n'est pas un droit. C'est juste un droit de jouissance temporaire. Et avec euh, un préavis ou... Il y a toujours un préavis. Il y a toujours un préavis. ce que les gens ont dit tout à l'heure au niveau du reportage, c'est juste. Même ce matin, j'ai suivi une route qui a été juste derrière la présence là, qui a été nivelée. Avant-hier, ça a été Avant-hier, donc, ils ont arrosé. Maintenant, hier soir, j'ai constaté que les rivières ont mis des pierres pour baliser. Et ce matin aussi, j'ai constaté la même chose. Je me suis arrêté, j'ai demandé, mais pourquoi vous avez limité le passage Ils me disent, ah, c'est les fabres qui filent. Et c'est dangereux pour eux. Eux, ils ont peur, puisque il y a les vigiles assis, mhm. ils ont peur pour leur euh, santé. Ils refusent de suivre la ligne. Ils essaient de déborder de l'autre côté. Vous avez vu Donc, en réalité, on va critiquer la mairie parce que l'espace public appartient à la mairie. Forcément, parce que la mairie doit jouer son rôle. Mais on connaît l'état des mairies. Maintenant, si la mairie ne joue pas son rôle, nous, qu'est-ce qu'on doit faire On ne doit pas laisser faire. Mais ce qu'on doit faire, on doit faire ça positivement. On doit aider la mairie à travailler. Qui est, la mairie La mairie, c'est nous-mêmes. La mairie, c'est nous. Donc, on doit se lever nous-mêmes, faire ce que la mairie doit faire, mais avec nos moyens. Si on est dans une ruelle, c'est nous qui vivons dans la ruelle, n'est pas la mairie qui vit dans la ruelle. On se rend compte que la ruelle est obstruée. Ce n'est pas bon pour nos enfants. On prend une décision et on améliore. Et après, on rencontre à la mairie. Je crois qu'on ne doit pas attendre. Ce que les gens disent, c'est vrai. Maintenant, il y a des gens qui font des cassis. Généralement, c'est contre les véhicules, les taxis qui filent, ou les véhicules qui, qui, sans considération. Je crois que c'est des réponses à un fait donné. Là, il faut sensibiliser, comme l'a dit, il faut sensibiliser, il faut amener les gens à sensibiliser. Et puis voilà, je crois que ça va aller comme ça. D'accord. Donc, euh, Monsieur Ayouba, vous qui êtes euh, de la ville de Niamey, est-ce que vous avez une idée de la dimension que peut prendre une voie, une route pour euh, une meilleure circulation des voitures et des piétons Car bon, c'est toujours limité. Il y a des voies de 20 mètres, il y a des voies de 30 mètres, mais l'espace en réalité entre la voie hein, qui est empruntée par vous et nous et euh, l'autre, ça ne dépasse guère 10 mètres, voire 20 mètres. Alors, donc, pour le demandeur donc, de, place, parce que je disais tantôt que la demande est mise par donc, euh, le demandeur. Vous voulez une place pour faire votre exercice commercial, vous mettez la dimension euh, voulue. Mm-hmm. Nous, nous allons voir si techniquement l'espace-là peut vraiment permettre de prendre hein, la, superficie demandée, hein, peut quand même être suffisante au, vu donc de, la grandeur de, l'espace. Comme il l'a dit tout à l'heure, il a raison. L'autorisation, elle est provisoire, elle est même précaire et révocable à tout moment. c'est pourquoi euh, il n'est pas autorisé aux gens que j'ai une autorisation déjà qui est, avec moi, qui, qui est établie et signée par donc l'autorité qu'est le maire ou par délégation. Il est dit ici que la présente autorisation ne constitue en aucune manière un titre de propriété. Hein. Elle est précaire et révocable à tout moment. À tout moment. C'est-à-dire pour des fins d'utilité publique, le maire peut décider de jour comme de nuit à dire à la personne, écoute, nous voudrions faire une action, alors il faut nous libérer la voie. Mais il y a toujours donc des réticences. On l'a vu même au moment donc des opérations d'égrépissement. Mhm. C'était euh, vraiment un peu difficile après plusieurs, puisque nous avons passé par plusieurs péripéties, hein, pour nous amener à faire partir les gens. Souvent, nous avons passé par la sommation à l'amiable. Mhm. Et en cas de réticence, là, nous sommes obligés donc de passer par la manière la plus belle pour pouvoir libérer ces espaces-là. Vous avez vu, ça n'embellit à rien en réalité, mhm. parce que les endroits qui sont plus visés par donc, ces revendeurs, ce sont les alentours donc, des écoles, des centres de santé ou des édifices publics, parce qu'ils savent que tu ne peux pas aller occuper la déventure donc, euh, de quelqu'un sans son aval. Or là, c'est les gens disent que ça appartient à tout le monde, mhm. c'est pour le public. Donc, euh, une fois qu'ils sont autorisés, il n'y a pas de respect souvent. Et c'est ce qui fait que chaque année, hein, à pareille donc, circonstance, les agents vont reprendre les recensements pour voir est-ce que euh, la superficie autorisée. Oui, mais ils font d'extension en extension et ceux qui obstruent la voie, souvent, vous allez voir même le passage des piétons est euh, occupé. Mhm. Euh, Ce qui nous amène euh, vraiment à demander aux gens hein, de respecter en réalité les normes. Ok, merci Monsieur Yacouba. Donc, euh, Monsieur Koulibaly, qu'en est-il des personnes qui réalisent les cassis euh, pour ralentir aussi les véhicules. En réalité, un privé ne doit pas faire ce genre d'ouvrage devant chez lui. La voie, comme je le disais tout à l'heure, appartient à, la mairie, à l'État. Donc quand il y a un problème qu'ils ont constaté, peut-être des, des qui filent dans la voie, ils doivent tout simplement signaler à la mairie qu'ils doivent venir faire les ouvrages ou bien, en tout cas, ils n'ont pas ce droit-là. Mais les gens le font et c'est accepté. Le problème, c'est quand un accident va arriver qu'on va demander qui a fait ça. En principe, c'est interdit. Mais qu'est-ce qu'encourent euh, les contrevenants Je ne sais pas exactement ce qu'ils parce que je ne suis pas de la mairie, je ne sais pas exactement. Peut-être les techniciens sont là, ils vont, <laughs> vont répondre sur ce point-là. D'accord. Donc, euh, bonjour, monsieur Kadaouré, qui vient de nous rejoindre. Voilà, donc, euh, nous parlions de l'accaparement de l'espace public dans nos villes, comment rester dans la réglementation. Donc, euh, je posais la question à M. Koulubali euh, à propos des, cassis qui sont réalisés à tort et à travers euh, sur les voies publiques. Quel est votre avis par rapport à cela Bon, mon avis par rapport à cela, je l'ai écouté. Euh, les avis ne peuvent être que les mêmes, quoi, considérant que normalement euh, ce sont euh, les mairies, c'est les organes centraux qui ont en charge la construction de tous les ouvrages publics, quoi. C'est-à-dire un particulier n'a pas le droit de prendre ces jardins d'initiatives et de les construire parce que ça peut être des choses qui peuvent obstruer le fonctionnement de la ville. Et donc, du coup, il euh, résout à son niveau, au niveau ponctuel, son problème, mais il euh, transmet le problème ailleurs. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut éviter des opérations ponctuelles parce que la ville, c'est un tout complexe qui fonctionne euh, de manière cohérente dans le respect de la réglementation. si les citoyens peuvent se permettre, d'accord, euh, de faire des opérations pareilles, ils risqueraient quand même euh, de rendre la ville pas du tout opérationnelle. Voilà, autre chose aussi, les populations de Niamey se plaignent des autres personnes qui placent des briques ou des pierres pour limiter le passage des véhicules en saison pluvieuse. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela aussi Oui, ça revient à la même chose. Hein. De toute façon, c'est des obstructions à la circulation, c'est des obstructions au trafic euh, routier. Voilà, bon, mais là, je pense que les responsabilités sont partagées. Euh, ceux qui font cela, quelque part, ils se sentent exposés parce que euh, les déviations, d'accord, de la chaussée peuvent créer des accidents sur les enfants qui peuvent surgir à tout moment. Les usagers de la route eux aussi ils sont dérangés. Parce que quelque part, si on te contraint à passer dans un, euh, par un endroit qui est dégradé, qui peut porter euh, vraiment préjudice euh, à la santé de ton agent, là aussi c'est pas bien. Donc du coup, ces genres de choses, je pense que les habitants, d'accord, les habitants peuvent se concerter, se regrouper à travers des comités pour apporter le besoin, les doléances au niveau des, autorités afin de, de, prendre des décisions qui arrangent tout le monde. Quoi. Le forum euh, continue. Euh, le président de la délégation spéciale de Niamey pour euh, améliorer la mobilité dans la ville a invité le 29 septembre dernier la population à enlever tout ce qui est épave d'engin de camions, de voitures qui gênent le passage au niveau des voies publiques. Cela est aussi valable pour les garages qui sont abusivement sur les espaces publics. Les concernés disposent d'un délai d'un mois pour les enlever. Eh bien, le délai arrive à expiration dans quatre jours, Monsieur Kadaoré. Avez-vous constaté une quelconque action allant dans ce sens Est-ce que les populations concernées ont commencé à libérer les endroits Bon, avant de vous apporter une réponse à cette question, je tiens d'abord à féliciter la délégation du Niamey nouvellement installée d'avoir euh, pris ces décisions qui semblent impopulaires aux yeux des autres. Parce que qui prend des décisions comme ça, très souvent, c'est quelqu'un qui a du courage. Et donc, c'est pour ça que nous, on a besoin des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour euh, prendre des décisions afin de rendre nos espaces bien aérés et nos villes fonctionnelles. C'est ce que je voulais d'abord dire. Pour répondre à la question, Bon, pour le moment, moi, <laughs> personnellement, sincèrement, c'est pas sensible, quoi. C'est pas quelque chose qui est visible à mes yeux. J'ai pas encore commencé à voir les résultats de, de ces mesures-là au niveau des espaces euh, occupés. Mais ce qui est évident, euh, c'est une décision qu'il faut saluer c'est une décision qu'il faut accompagner, c'est une décision que les populations, la population de Niamey doit comprendre. Parce que euh, si vous regardez euh, comment sont aérées les autres capitales, comment sont euh, structurées les autres capitales, c'est-à-dire il y a vraiment du regrettable dans notre tissu urbain ici à Niamey. Il faut voyager pour comprendre que Niamey ne véhicule pas vraiment euh, l'image d'une véritable capitale. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre euh, euh, de mesures-là. Et donc si la population exécute cela, je pense que c'est euh, au profit de la population que cela va euh, se concrétiser. Si elle refuse de le faire, je pense que moi, euh, à mon niveau, ce que je recommande, c'est de prendre des mesures qu'il faut, de, contraignantes pour amener la, population qui peut-être elle le fait parce qu'elle ne comprend pas le bien fondé de le faire. Donc c'est important de permettre à notre capitale de refléter l'image des, des capitales modernes. Merci, M. Kadaoré, M. Yakuba de la ville de Niamey. Peut-on parler ici euh, d'une nouvelle euh, opération de dégarpissement Merci. Donc, euh, l'opération de dégarpissement, même qui, qu'il y a eu il y a quelques mois, a été donc organisée par les autorités locales, municipales, régionales et par le Haut Commissariat Nyame dans le but d'abord de sécuriser la population, de leur assurer la santé et de permettre également l'éducation aux enfants. Je le disais tantôt que l'occupation est devenue anarchique à tous les niveaux, au niveau des alentours des écoles, des centres de santé et des édifices publics, mais également sur la voie publique. Vous avez vu aujourd'hui, euh, quelqu'un peut se lever un beau jour, tu as ta propre maison, au lieu de garer ton, véhicule, tu te permets d'aller garer ça sur le domaine, les épaves, en réalité, comme il vient de le dire tantôt. Mhm. Tu n'as pas besoin de ça. Autant l'amener hors d'un endroit où ça peut nuire. Donc c'est pour toutes ces raisons que les autorités ont décidé en réalité de mener ces opérations de libération de ces espaces. Et ce n'est pas pour libérer seulement ces espaces, c'est pour les aménager au retour. Parce que l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui ces espaces, en réalité, euh, rend la ville, notre capitale, une ville pas, euh, pas moderne. Pas Niala du tout. du tout. les autorités, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir comme premier responsable la personnalité même en charge de rendre Niamey Niala, qui est le haut commissaire Niamey Niala. C'est qui a été donc nommé président de la délégation spéciale avec les autres délégués spéciaux. En tout cas, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour changer, en tant soit peu, l'image de cette ville qui nous est chère, qui au-delà qu'elle soit ville, elle est la capitale donc euh, du Niger. Il faut que les gens comprennent cela. Et cela ne peut être possible qu'avec le concours, bien sûr, de la population. La population doit quand même prendre conscience de ça, que c'est leur ville, que c'est à lui que ça revient, donc de rendre en tout cas Niamey une ville propre. Et de penser également à la santé donc euh, d'eux-mêmes, des enfants et c'est pourquoi nous avons décidé en réalité de poursuivre ces actions-là. Euh, maintenant, on parle donc de libérer euh, l'espace en dégageant donc les épaves. Ce n'est pas que les épaves. Il y a autre phénomène, la vente donc de bois, la vente également donc de la paille, qui aujourd'hui rend la ville très très sale. Mais est-ce que initialement il y a des espaces aménagés pour euh, déposer toutes ces... Oui, nous avons également, après la première opération, euh, identifié un certain nombre de sites dans les différents arrondissements de la ville de Niamey. Et dans chaque arrondissement, nous avons un site pour recaser ces personnes qui ont été déjà déguerpies et nous avons éventuellement donc demandé à ces gens-là d'aller avec les pièces qu'ils ont, mhm. puisque euh, l'opération, au moment des opérations, nous avons donné à chacun une sommation euh, écrite qui euh, montre qu'en réalité, il est détenteur d'un kiosque à tel endroit et il doit être casé dans l'arrondissement concerné. Mhm. Pour ceux de Yantala, le site retenu, c'est le marché de Gabgoura, l'ancien marché à bétail. Nous avons également un espace qui est réservé pour euh, les gens du deuxième arrondissement, qui est Calais Plateau, je pense, Plateau. Pour l'arrondissement communal 4, déjà les gens ont été installés hein, au niveau de Bassora. Et pour l'arrondissement communal 5, c'est Sagia qui est retenu comme site de recevoir donc les personnes déguerpies. Donc euh, nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole euh, à Monsieur Koulibaly. Est-ce que euh, ces façons de faire les kiosques, les épaves et autres impactent sur la salubrité de la ville Oui, l'impact est direct, mais avant d'arriver à cela, je vais intervenir sur le désencombrement des voies par les garages et autres choses. En c'est un programme qui a été fait, mais qui n'a pas eu, qui n'a pas été exécuté. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une main forte qui est en train de, de prendre le, le bâton pour le faire. En c'est quoi Il y a beaucoup d'activités qui se font dans les rues, des activités qui ne doivent pas se faire dans la rue, et on se rend compte que ça se fait dans la rue. Et ça cause beaucoup de problèmes, dont la salubrité, entre autres. Entre autres, comme euh, unité qui occupe la rue, nous avons les unités de production, de pavés, de briques, tout ça là, vous allez le voir. Nous avons les stocks de bois de chauffe, comme l'a dit, de bois, de paille, tout ça là. Nous avons les packs de vente de voitures le parc de vente d'animaux, de volailles, hum, les ateliers de construction métallique, euh, les kiosques, extensions de boutiques, les grillades, comme le dit les, les Ménama, euh, les mosquées, nous avons des mosquées, hein, hein et nous avons ce qu'on appelle occupation, privatisation de l'espace public. C'est quelqu'un qui a sa maison, mais il va continuer sa maison sur la voie. Explication. Par exemple, ici à la porte, à la devanture de votre euh, service, le parking, vous le prolongez sur la voie. Mhm le technicien est là, peut-être il va oui, expliquer. Donc, ça veut dire que tu occupes l'espace public comme pour toi. Tu le privatises. Donc, en réalité, au moment où on a fait ce programme, tout ça là devait dégager. Pour ce qui concerne les garages, vous avez posé une question. Moi, même ce matin, j'ai fait le tour de Niamey. Ça pas, les gens n'ont pas commencé à appliquer. Et pourtant, il reste que 5 jours. Oui, les gens attendent toujours le dernier moment. Vous avez eu le temps, vous avez eu le temps pour dégager. Et vous attendez le dernier moment. Et il se pose aussi, les gens, certainement, ils n'ont pas de place. À réalité, c'est quoi une épave dans les garages Les garagistes n'ont pas de voiture. C'est les gens qui amènent des voitures à réparer. Quand ce n'est pas réparable, ils laissent ça là. Mhm. Et que le garage est fait que tu amènes ton véhicule, ce n'est pas réparé, tu l'amènes chez toi. Il faut que les garagistes se rendent compte que eux, l'espace qu'ils ont, c'est juste pour réparer les véhicules. C'est comme un hôpital. Un garage, c'est un hôpital de véhicules. Mhm. Le véhicule est là pendant une semaine, deux semaines, c'est pas réparé, le gars vient prendre son véhicule. Et une épave, actuellement, c'est l'argent, c'est riche, c'est une richesse. Ton véhicule n'est pas réparable. Tu l'as en pièces taché. Là, tu récupères ton argent pour acheter un autre véhicule. Mais les gens consomment des épaves pendant des années. Vous allez voir dans les garages, il y a des véhicules qui ont 15 ans dans le même endroit. Et il y a un endroit que je veux, bien vous préciser. Entre, entre 1.6e euh, et saper pompier il y a un garage, il y a toujours des épaves là. Et c'est un endroit où, à cause sa saper pompée il ne doit pas avoir d'épave sur cette voie-là. Mais si ça date de longtemps, qu'est-ce que les autorités attendent pour solutionner ce problème Les autorités ont regardé, tout le monde regarde. Pour ne rien faire maintenant, il y a des mesures qui sont entreprises. Et je crois que le jour où on va commencer, ils vont commencer à crier. Et c'est trop tard. D'accord. Merci, Monsieur Koulbali, Monsieur Kadouré. Dans les villes euh, du Niger, est-ce que des espaces euh, sont prévus euh, pour, pour, les utiliser, genre des casses automobiles ou autres espaces pour garer toutes ces épaves euh, de camions, de voitures et autres hmm. Bon, euh, moi je pense que pour répondre à cette question, il faut euh, prendre le problème en amont. Quoi. Parce que c'est-à-dire, vous savez, la ville, c'est, si vous voulez, une agglomération dans laquelle nous vivons, nous circulons, nous travaillons. Donc c'est quelque chose que nous devons protéger, c'est quelque chose que nous devons entretenir. Et la ville ne doit pas se créer, d'accord, de manière anarchique elle doit être repensée au préalable par des techniciens. Aujourd'hui, mhm. si vous regardez à Niamey, il ne faut même pas parler de ce qui se passe au niveau de l'intérieur du pays. C'est-à-dire on a tendance à assister à un étalement urbain, à un développement de la ville, pas du tout contrôlé par les services qu'il faut. Donc il sera extrêmement difficile d'arriver à administrer la ville. Mhm. Donc tous ces problèmes-là que vous êtes en train d'évoquer, c'est des problèmes qui se sont posés en soit au moment de la création de la ville, parce qu'il y a eu des goulots d'étranglement concernant la programmation urbaine. Une programmation urbaine, c'est une opération au préalable pour créer la ville qui permet de mettre en place les différentes zones. On va dégager les zones d'habitation, on va dégager les zones administratives, on va dégager les zones industrielles, mm-hmm. même les carrières sont dégagées. Donc de façon à les situer là où, d'accord, l'impact de tout euh, problème qui va se créer là-bas va se sentir le plus moins possible sur la population. Et si la ville est créée et que les problèmes se posent, cela veut dire que quelque part, il y a un laisser-aller par rapport au comportement que les citoyens développent face à l'occupation des espaces publics. Donc du coup, euh, tout celui qui a quelque chose, qui a un besoin, au lieu de faire un effort de trouver un titre de propriété. En respectant la, la réglementation, il se permet d'occuper l'espace public parce que quelque part, il y a vraiment un laisser aller au niveau des mairies. Mhm. Parce que c'est la mairie qui est chargée normalement, d'accord, de, contrôler tout cela. C'est vrai que c'est un problème qui peut être plus fort que la mairie. Et donc, du coup, euh, les décisions que doivent prendre aujourd'hui la mairie, moi je pense qu'elles se limitent en deux points. Un, arrêter toute cette croissance de la ville, de manière l'extension de la ville, la croissance de la ville, de manière pas du tout organisée. D'abord mettre les techniciens, les urbanistes, les architectes sur euh, euh, les questions de la ville, faire des propositions, définir un schéma d'orientation et d'aménagement de la ville qui va être respecté. D'accord Et deux, prendre des mesures comme celle qui a été déjà prise pour solutionner les problèmes qui se sont créés avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de déguerpir seulement le problème. Je m'excuse, hein, le monsieur qui est à côté de moi, il a parlé de recasement recaser. Quelqu'un qui a été déguerpi, c'est bon de lui dire, monsieur, tu as été déguerpi, on te présente un papier qui justifie qu'effectivement tu as perdu telle ou telle chose à tel ou tel espace. Mhm. Mais une chose est sûre, ce qui est préférable dans tout ça là, c'est d'obliger ces personnes qui développent des actes de commerce à se retrouver dans des zones spécialement dédiées pour le commerce. Je pense que à chaque fois que la ville est en train d'être créée sur euh, les papiers, les plans cadastraux, il y a des réserves qui sont faites pour des espaces euh, culturels, pour des espaces sportifs, pour des espaces commerciaux. Mhm. Donc, il y a des marchés qui sont existants. Et Dieu merci, ici à Niamey, Aujourd'hui, il n'y a pas que la mairie ou bien le pouvoir central qui crée des marchés. Il y a des opérateurs économiques qui sont porteurs des créations des centres de commerciaux, d'accord, où les boutiques sont disponibles. Donc faire en sorte que tout celui qui veut développer une activité commerciale, au cas où la partie qu'il veut occuper pour développer son commerce ne se limite pas à sa propriété, on l'oblige à se retrouver dans ces marchés-là pour développer son commerce. De cette façon, on crée des points focaux et on va peut-être assister à un phénomène qui est aujourd'hui à la mode, le phénomène de la polycentralité urbaine. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller vers le grand marché pour trouver tous les produits qu'on veut. Des points focaux où tu peux trouver tout ce que tu veux. Ce n'est pas quelque chose qui se crée de lui-même. Il faut des décisions courageuses, politiques, ils doivent contraindre les gens à faire en sorte que cela soit une réalité. Le cas contraire, ce n'est pas possible. Monsieur Kadaoré, je vais vous interrompre puisque nous sommes presque au terme de ce forum. Monsieur Yakuba, un mot avant la fin de ce forum. Merci. Euh, ce forum, à mes yeux, est une très bonne chose parce que ça permet quand même aux uns et aux autres euh, d'exprimer, en tout cas, euh, toutes leurs pensées allant dans le sens, en tout cas, du développement de cette chère ville que nous avons et au-delà de toutes les villes euh, du Niger. J'ai suivi euh, avec attention mes autres euh, collègues qui véritablement nous ont donné quand même l'assurance qu'il n'est pas encore tard de changer, en tout cas, nos comportements. Parce que tant que nous voudrions amener nos habitudes et nos comportements du village vers la ville, nous ne pouvons pas prétendre à un changement. Il faut le concours d'abord de tous les citoyens hein, et de ceux mêmes qui pensent que l'occupation, le domaine public, certes ça appartient à tout le monde, mais il faut quand même préserver euh, cet espace-là pour euh, véritablement changer un peu l'image de notre ville. Merci. Merci, M. Koulbali, à vous. Une minute, vous avez. Euh, le mot de fin, euh, je veux le, le, faire sur la salubrité urbaine. Évidemment. Tout ce que nous avons comme occupation anarchique de la voie a pour conséquence pour nous l'insalubrité de la ville, des rues. Parce que si vous avez pris tout ce qu'il y a comme boutique, c'est des boutiques commerciales. Tout ce qui est emballage, mm. plastique, tout ça là. Et c'est des gens qui n'ont pas ce réflexe d'avoir une poubelle pour garder ces déchets, généralement qui sont des emballages en plastique et bon, en carton, c'est là. Donc, euh, évacuer ces, ces, boutiques, pour nous, c'est aussi dans le cadre de la salubrité et de la modernisation de la ville, comme le dit. Pourquoi pas inciter les habitants de créer des boutiques parce que quand on fait une grande voie, pratiquement ça structure tout ce qui est le long de cette voie-là. Les propriétaires de maisons peuvent créer des boutiques le long de ces voies-là que les boutiques soient de la rue, non, les boutiques soient, sont maintenant dans les concessions et avec des hangars peut-être dehors. Mhm. Avec des simples mesures de sensibilisation, les gens vont avoir des habitudes de trier des déchets, les conserver et les collecteurs vont ramasser. Et ça permettra de rendre notre ville propre, en tout cas pour l'État. D'accord. Merci, madame. Monsieur Kadaoré, un mot de fin Je vous remercie d'abord d'avoir créé euh, ce cadre-là pour nous permettre de nous exprimer dans nos domaines de compétences. Et deux, j'inviterai d'abord euh, la délégation spéciale de la ville de Niamey de continuer à prendre ces genres de mesures. Quelles que soient les critiques qui vont suivre, de toute façon, celui qui veut bien faire, il est obligé de casser les yeux. C'est pas possible. Donc, de travailler sans pour autant contraindre les gens. En dehors du travail de déguerpissement, des prises des mesures contraignantes, moi, je les invite à comprendre aussi que la ville ne peut pas avoir une solution immédiate à ces problèmes à travers des déguerpissements à tout point de vue, à tous les niveaux. Il y a des zones qu'on ne peut pas déguerpir, il y a des zones qu'on ne peut pas supprimer. Donc il y a des noyaux historiques, il y a des tissus qui se sont créés avec le temps. Une fois qu'on touche à ça, on touche même à la santé de la ville. Mais je souhaiterais quand même voir la ville de Niamey assister à des créations des nouveaux des nouvelles villes à côté de Niamey dans lesquelles les mesures, les normes, la réglementation seront respectées dès à la création de la ville et puis de lancer également des vraies campagnes de communication et de sensibilisation pour apporter, amener les populations, si vous voulez, à bien comprendre le pourquoi de ces mesures, le pourquoi d'avoir un bon comportement afin de rendre Niamey Merci, Monsieur Kadaouré. Voilà, c'est la fin de ce forum qui était consacré à l'accaparement de l'espace public dans nos villes, comment rester dans la réglementation. Nous étions avec euh, M. Yacouba Saleh, directeur des équipements marchands à la ville de Niamey. M. Habibou Kadaouré, architecte, et M. Adamou Koulibaly, directeur régional de la ville et de la salubrité de Niamey. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à notre compagnie. Rendez-vous demain pour un autre thème sur le studio Kalangu. Au revoir.